Chers internautes, Monsieur Sam, directeur général adjoint de l'agence MTM Immobilier. Nous sommes toujours à Dias, comme nous avons vu sur mur de clôture que nous réalisé. Donc à chaque fois, nous avons les clients, donc de sécuriser ces terrain. Donc qui a les moyens de faire mur de clôture, nous avons mur de clôture.

MTM depuis Diass ak MTM ñëpp am dëkkuwaay.